Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices des programmes du Studio Kalangu, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Forum de la Presse. Le Forum de la Presse, pour rappel, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la presse de cette semaine, la femme à l'honneur, donc c'est lundi 8 mars 2021 avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Au Niger, c'est l'occasion de s'interroger sur le quota et sur le mariage des enfants. Analyse à suivre dans ce forum. Volet politique de cette émission, nous parlerons avec nos invités de ce prix attribué au président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, euh, à savoir le prix Mo Ibrahim. Vous suivrez dans quelques instants les commentaires et appréciations de nos confrères à ce sujet. Sur un tout autre plan, nous reviendrons dans ce forum de la presse sur ce qu'on peut qualifier de saisie de l'année. Il s'agit d'une saisie de 17 tonnes de cannabis opérée cette semaine à Niamey par l'Office central de répression de trafic illicite des octrices. Pour discuter et analyser ces faits de l'actualité, nous avons invité nos confrères Arimi Abba Kiari, journaliste à la radio alternative. Arimi, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gary, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous, Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce forum de la presse. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum de la presse de ce vendredi 12 mars 2021. Je le disais en introduction, la femme était en l'honneur ce lundi 8 mars 2021 avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Au Niger, c'est l'occasion de s'interroger sur les avancées et les défis en matière de droits. Covid-19 est une menace pour les progrès enregistrés contre le mariage des enfants, tel est l'intitulé d'un rapport publié le 7 mars dernier par l'UNICEF. Je vous propose d'ailleurs de suivre les détails avec euh, notre collègue euh, Mokhtar Hamadou le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, a annoncé dans un rapport que la fermeture d'écoles, les pertes d'emplois ou encore l'insécurité économique accrue pour cause de pandémie pourraient contraindre les familles vulnérables à marier leurs filles afin d'alléger leur fardeau financier. 10 millions de mariages d'enfants supplémentaires risquent d'être conclus d'ici à la fin de la décennie. Même avant l'épidémie de la COVID-19, 100 millions de filles étaient déjà exposés au risque de mariage pendant leur enfance, selon les estimations de l'UNICEF. Ces dix dernières années, la proportion des jeunes femmes dans le monde mariées durant leur enfance a baissé de 15%, passant de près d'une femme sur quatre à une femme sur cinq, évitant ainsi environ 25 millions de mariages. Selon l'UNICEF, ces progrès enregistrés sont aujourd'hui compromis par la pandémie de COVID-19. Alors, euh, je viens à vous, euh, Diado. Quels commentaire vous inspire ces chiffres au sujet du mariage des enfants au Niger euh, Ces chiffres euh, sur le mariage d'abord des enfants au Niger, nous savons que bien avant la pandémie, les, les, familles sont confrontées à ça. Donc, ça veut dire qu'au Niger, c'est une habitude pour certaines ethnies euh, de faire, de, donner les filles en mariage très tôt. Et ici, quand, on dit mariage des enfants, il faut pas voir également les filles seulement, parce qu'il y a des ethnies aujourd'hui qui donnent également les fils, les jeunes garçons, mm. en mariage très tôt, où c'est le père qui déploie de l'argent, qui enlève de l'argent pour faire marier son garçon, son petit, garçon mm. d'à peine 15 ans, 14 ans euh, pour le, lui faciliter donc euh, de fonder un foyer. Donc ça veut dire que euh, vraiment c'est Covid-19 est encore venu accentuer les choses parce que comme euh, j'ai suivi le communiqué, avec la fermeture de certaines écoles, il y a l'insécurité aussi, donc les parents vulnérables, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a la vulnérabilité de ces parents-là en finance, donc euh, ça ne peut que vraiment augmenter le chiffre aujourd'hui de ce que nous avons connu il y a dix ans de cela hmm. euh, au Niger. Gary Amadou, Qu'en pensez-vous du lien entre pauvreté et mariage des enfants qui ressort euh, justement dans, ce, dans, ces, dans cette étude, dans ces chiffres Oui, ça veut dire que quand on suit vraiment la logique de, de, cette étude-là, c'est que c'est pratiquement en milieu rural que euh, ce, phénomène est constaté. Mais j'ai cru comprendre que à travers cette étude de l'UNICEF, on a constaté une baisse de quand même 15%, parce qu'ils disent que avant c'était une jeune fille sur cinq, sur quatre. Aujourd'hui, c'est une jeune fille sur cinq, ce qui fait une baisse de euh, quand même de, de, 15%, ce qui est assez appréciable. Mm. Cela dit, euh, la différence entre euh, le, fait de marier un garçon jeune et, puis une, une, fille jeune, elle est, très grande parce que mm. le mariage d'un jeune garçon, n'entrave pas son avenir ou son, son épanouissement social. C'est-à-dire que euh, le fait qu'il cherche le boulot, etc., mm. etc. ça n'a pas d'emprise sur son. Sur son... Par contre, si c'est la jeune fille, carrément si on annihile tous ces toute chance pour elle peut-être de s'épanouir sur le plan euh, social sur le plan de son autonomie sur le plan de son avenir même au sein de l'école et surtout l'éducation oui voilà surtout au niveau de mm. l'éducation mm. elle elle, pourra, pratiquement plus partir à l'école mm. lui le garçon qui, a, qui, s'est marié il part à l'école malgré tout donc franchement c'est une grande différence mais je pense qu'il y a encore du travail à faire c'est vrai que cette baisse là elle est elle est elle est en tout cas significative c'est le feu de quoi Je ne sais pas. Les sensibilisations, je ne sais, euh, mais là, on parle, plus, on parle plus aussi de, du risque de voir le nombre de mariages d'enfants exploser euh, d'ici quelques, euh, quelques temps. Oui, d'ici quelques temps, peut-être, mm. oui. Mais, mais, je pense qu'il y a du travail à faire, surtout en, milieu rural, faire en sorte que qu'on puisse faire comprendre que la société, c'est le garçon, c'est la fille. C'est-à-dire que l'école n'est pas réservée qu'aux garçons. Mm. Mais il y a une certaine conception au niveau des villages qui fait qu'on considère que la fille, et sa place, ce n'est pas à l'école ou dans un bureau. Hmm. Sa place, c'est à côté de son mari. Et dès qu'on dès qu'on commence à réfléchir comme ça, eh bien, ça fait en sorte que les enfants, même quand on les met à l'école, à un certain moment, on considère que non, quand elle a atteint l'âge de se marier, il faut la marier. On ne se soucie pas de son avenir parce qu'on se dit que bon, son bonheur, c'est au côté de son mari. Et ça, c'est des réflexions assez, assez, assez tristes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pratiquement extrêmement intelligentes à l'école qui étaient brillantes dont l'avenir a été pratiquement coupé et on les a mariés, elles ne sont plus à l'école. Moi, je connais beaucoup d'exemples des filles intelligentes, mais qui n'ont, qui n'ont pas pu poursuivre. Mm. Et quand vous vous renseignez, on dit que non, non, euh, son papa l'a mariée, pourtant elle était brillante. Mm. Donc, je pense qu'il faut que nos, nos, parents au village arrivent quand même à comprendre que un pays se construit avec toutes ces énergies, les énergies des garçons, et les énergies des filles aussi. Mais, euh, rapidement, on va passer la parole à Arim. Ce phénomène, ce n'est pas seulement dans les zones rurales que ça se passe. Hein. Mm. Ça se passe aussi dans certaines euh, zones urbaines. Mm. Mm. Euh, le mariage des enfants, des, filles, des petites filles. Donc, oui. Mais, avec un, à un degré moindre, peut-être. À un degré moindre, mais, quand même, ça existe. Ça oui. Alors, Arim, vous avez entendu les quelques aspects principaux de, de, de cette étude qui euh, est intitulé Covid-19 est une menace pour le progrès enregistré contre le mariage des enfants. Alors, qu'en pensez-vous euh, C'est sûr hein, que Covid-19 euh, a annihilé beaucoup d'efforts, pas seulement dans le domaine du mariage de, l'enfant, mais c'est dans beaucoup de domaines. Mm. Ça a aggravé, par exemple, la pauvreté la pauvreté qui est justement l'une des raisons principales pour euh, lesquelles euh, l'enfant est marié tôt, en tout cas dans beaucoup de localités, même s'il faut reconnaître que dans notre société ou dans nos sociétés au Niger, euh, beaucoup mariaient déjà tôt les enfants avec ou sans Covid. Maintenant, pourquoi on met Covid Covid parce que justement, ça a aggravé euh, ce mariage euh, de l'enfant, parce que euh, le déplacement des autorités est limité, le déplacement pour la sensibilisation n'a plus lieu, l'école étant fermée, l'enfant est à la maison tout le temps. le maître qui est censé être les yeux et les oreilles des autorités et de la société pour pouvoir dénoncer et tout n'est plus là. Donc, euh, la petite fille devient une proie encore plus facile. Et peut-être euh, euh, la question économique aussi, peut-être les moyens de subsistance. De, Bon, ça, vous, vous savez, c'est des considérations à mon sens, très difficiles à démontrer, à démontrer, mais qui donnent toutes les raisons euh, subjective à une famille de marier l'enfant tôt parce que c'est lui qui vient prendre une petite fille. Euh, bon, euh, c'est l'argent qu'il met en avant. il montre aux parents de la fille ou il montre à la petite fille elle-même qui finit par l'accepter comme étant son époux. Bon, si ce n'est pas ça, sincèrement, il y a du, de l'avancée dans ce, dans ce domaine du mariage de la petite fille. Et aujourd'hui, moi j'en connais, même dans le cadre de ces élections qui viennent de, ces, qui, qui, viennent de se dérouler, il y en a dont la candidature a été décalée tout simplement parce que euh, il aurait marié une petite fille qui n'a pas l'âge, donc les 13 ans. Donc, ce qui est une très bonne chose, à mon avis, euh, il faut frapper vraiment euh, ces personnes euh, vraiment de cette manière-là, les sanctionner et que leur exemple, que leur, puisse servir d'exemple aux mm. autres. Mm. Voilà, mais sinon, bon nous avons été un peu moins touchés que les autres par le Covid, mais mm. bon, c'est ainsi, c'est sûr que ça a plombé pratiquement toute l'économie et l'économie touche, s'il y a un recul, ça touche encore beaucoup plus les pauvres et mm. les pauvres, donc euh, peut-être qu'il y en a qui ont trouvé pour solution de, de marier leur petite fille. Alors voilà, je le disais que cette journée du 8 mars, c'était aussi l'occasion de s'interroger sur le quota euh, le quota donc au niveau des postes électifs et des postes de nomination. Et l'ONG Femmes Action et Développement a fait eh, des, estimations au sujet notamment de, des nouveaux élus, des nouveaux élus à l'Assemblée nationale, et il ressort que 28%, en tout cas, est réservé aux femmes. 28%, euh, nous avons à peu près environ 28% pour le postes euh, électifs pour les, qui reviennent de droit aux, femmes désormais au, dans, le nouveau, dans la nouvelle assemblée qui sera installée. Mm -hmm. Oui, bon, c'est... La loi prévoit, je pense bien, 25%. 25% pour les et euh, là, c'est allé euh, jusqu'à 28, à, 28%. À 28%. Quelle appréciation vous faites de, de, cela L'appréciation, c'est que je ne peux que féliciter vraiment cette situation qui est là le quota de 25%. Aujourd'hui, à l'Assemblée, on se retrouve avec 28%, mais c'est déjà extraordinaire. Ça veut dire que quand vous regardez, ça veut dire qu'il y a eu la pression, en quelque sorte, au niveau donc déjà du dépôt des candidatures, au niveau donc euh, pour les élections législatives. Et que, si vous vous rappelez également dans un communiqué euh, du ministère euh, de l'Intérieur, il y avait eu un autre communiqué qui disait que on doit respecter le quota au niveau donc euh, justement de ces postes, de ces gens qui viennent d'être élus. Sous peine de rejet de, euh, du dossier. Voilà, sous peine de rejet du dossier. Donc je pense que vraiment il faut saluer ici les autorités nigériennes, il faut saluer le travail abattu par euh, les ONG féminines, les organisations féminines. Il faut également saluer le courage aujourd'hui de, euh, de certains hommes politiques aussi qui ont appuyé cette démarche. De, je me rappelle, euh, c'était vraiment une lutte acharnée pour les dix dernières années pour que la femme puisse au moins occuper la place qu'elle mérite au sein donc euh, des postes décisionnels. Et là, c'est vraiment euh, à féliciter et nous allons attendre pour voir maintenant euh, avec le nouveau gouvernement qui sera mis en place. C'est la question que j'allais vous poser parce que souvent on a tendance à voir qu'au niveau de l'Assemblée c'est respecté, c'est là-bas même qu'il y a un problème au niveau du gouvernement. Et au niveau aussi d'autres d'autres oui, d'autres postes. Donc là, on, on va se féliciter, c'est vrai, mais on ne va pas se contenter également d'observer la mise en place donc, du nouveau gouvernement. Parce que là, on va crier tout de suite, euh, oui, oui, on va sortir, on va crier, on va demander à ceux qu'on qu'on fasse le respect de ce quota-là au niveau donc, euh, du gouvernement. Gare Amadou, est-ce est, ce que ces, résultats que nous avons déjà au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce un signal fort peut-être pour l'avenir, pour, les, pour, pour que au niveau des postes nominatifs aussi que les choses puissent euh, effectivement euh, respecter les textes en vigueur. Je crois que cette avancée qu'on a constatée doit être quand même un, un signal pour que les femmes puissent s'engager encore plus dans la politique. Moi, je rends hommage à l'ONG FAD, parce que l'ONG FAD, bien avant les élections, elle a pratiquement euh, été en contact avec toutes les formations politiques pour faire la promotion des candidatures féminines. Il faut lui rendre hommage parce que je crois que c'est son travail, quelque part, qui a porté son fruit. Les partis politiques alors de défendant, certainement, ce n'est pas de gaieté de que les partis politiques, c'est triste de le dire, n'aiment pas trop impliquer les femmes dans les affaires politiques. Ça, c'est clair et tout le monde le sait. Surtout au niveau, des postes de décision. Oui, je ne sais pas mais au niveau des mobilisations. Oui, mais, enfin, celles qui sont devant. Oui, mais enfin, aujourd'hui, eh, on aura plus de. Les gens parlent de 48 femmes à l'Assemblée nationale. En tout cas, ça tourne autour. C'est moins de 50, mais c'est pas très loin. Mais, mais, il faut, mais la réflexion doit être. Il faut saluer cela mais il ne faut pas venir pour faire de la figuration. Il ne faut pas venir à l'Assemblée pour s'asseoir. Juste pour s'asseoir. Non, ça ne sert à rien du tout. Si c'est ça, il n'y a pas de plus-value. Juste, c'est pour l'image. Pour on voit les femmes, n'est-ce pas Mais et ses consorts assises. Mais quand il s'agit de débats, mais elles ne sont pas là. Et on l'a constaté dans l'ancienne législature. Les femmes qui participent au débat se comptent sur le bout des doigts. Et ce sont toujours les mêmes. Tout le reste là, je vous dis, il n'y a pas plus de 5 ou 6 femmes est-ce qu'elles ne sont pas intimidées par certains hommes Non, ça dit, il ne s'agit pas, euh, euh, je veux vous dire, il ne s'agit pas euh, de crier sur tous les toits, ah oui, oui, oui, on laisse les femmes de côté, les femmes, Voilà, maintenant, il y a 45 femmes. Contrôlées, parmi ces 45 femmes-là, quelles sont celles qui interviennent lors des débats politiques Vous allez voir, il y en a qui vont venir s'asseoir pendant 5 ans. Elles ne vont rien faire. Et donc, je me dis que si c'est pour faire du saupoudrage, ce n'est pas la peine. Mais euh, Gare ça peut aussi être le contraire, peut-être cette Vous savez, il ne s'agit pas de... Euh, euh, c'est bien de faire la promotion des femmes à la politique, mais moi, je serais plus encouragé à voir les femmes qui s'engagent d'elles-mêmes dans le terrain politique, qui s'engagent même au niveau des formations politiques, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, il ne faut pas les forcer à venir juste pour faire du, pour faire du joli joli. Oui, pour faire de la figuration joli joli. On les voit, elles sont à l'Assemblée nationale. Ah oui, on applaudit. Mais la plus volée, elle est laquelle Il n'y a rien. Ah, ah, alors, Arimia Abba, euh, c'est cela oui. Euh... C'est-à-dire qu'on doit attendre euh, de, cette euh, nouvelle jeune féminine, en cas. Les ONG, les associations ont beaucoup fait pour la promotion de la femme au niveau de, des structures euh, et des institutions euh, de l'État. Moi, ce qui me préoccupe le plus, sincèrement, c'est le travail, euh, la promotion de la femme rurale. N'est-ce pas Celle-là qui n'a pas de voix. Et comment vous pensez que cela peut être possible Écoute, il faut alléger les tâches déjà, de, comment on appelle, domestique, parce qu'on dit que 14 heures sur 24, euh, cette femme-là est en train de travailler. Elle est la première à se réveiller et la, la, dernière, à se coucher, n'est-ce pas Elle fait tous les travaux les plus euh, ennuyants euh, de la famille. C'est à elle d'éduquer, de former, de nourrir les enfants. C'est elle sert. les hommes. Euh, je ne dis pas qu'on ne fait pas. Je dis c'est elle qui fait. Je dis que c'est elle qui fait et je dis que c'est elle qui me préoccupe. Mm. Je crois que je n'ai pas été compris. Mm. Euh, je suis un grand défenseur des, femmes. Il faut avoir confiance. Mm. Mais seulement, je dis, mes soeurs qui sont en ville, n'est-ce pas euh, quand on entend certaines revendications des femmes, on a l'impression qu'en Brousse, en, dans le monde rural, on n'a pas de femmes. Or, c'est elle qui est. Vous, votre, votre préoccupation, c'est qu'il y ait une certaine convergence entre, les entre je, les travaille toujours avec les femmes, mm-hmm. n'est-ce pas On voit les femmes au sein des partis politiques au fond, elles ne sont pas. Elles ne portent pas la lutte elles ne sont pour, pas, pour la femme peut elles, ne portent pas la, lutte pour la femme rurale. Elles le font pour elles-mêmes et je pense qu'elles ont les moyens, qu'elles ont les moyens et les arguments pour se hisser, y compris au niveau de la direction des partis. Il ne faut pas juste se cacher derrière les textes. Il faut que les femmes, aujourd'hui, en tout cas, je crois qu'elles n'ont pas, qu'elles n'ont même pas besoin d'être euh, épaulées, mais on fait la défection pour n'importe quoi, dans n'importe quel mhm. parti, pour n'importe quoi. Mais les femmes d'une partie, un jour, elles n'ont qu'à décider de s'en aller par exemple, elles ont les moyens de faire pression sur la direction pour être à 50%, 50-50 avec les femmes. Mais on n'a jamais vu ça. Ah, seulement, on, veut seulement se cacher derrière les textes je crois que les textes ne suffisent pas pour faire avancer les textes. Il faut soutenir les textes. Maintenant, la femme rurale, la pauvre, il faut la soutenir pour alléger ses tâches euh, domestiques. Il faut euh, soutenir jusqu'au bout la scolarité de la jeune fille. Il faut lutter pour que le mariage précoce euh, cesse. Voilà des choses. Et ça, c'est un plaidoyer, ça, c'est un plaidoyer que, la femme, la femme doit, doit, doit, pouvoir porter. Mm. Parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup euh, se contentent d'avoir euh, leur place, comme Garé a eu à le dire. Et puis, bon, on s'était pendant 5 ans. Et encore, dans 5 ans, on, est, on se bat pour que le, taux parvienne à 40%, et ainsi de suite. Mm. Même si c'est 100%, si on ne s'occupe pas de l'écrasante majorité qui est en brousse, la condition de la femme dans notre pays restera encore marginal. Euh, euh, mais rapidement, vous voulez ajouter quelque chose Je voudrais juste ajouter que euh, cette fois-ci, la femme rurale sera représentée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a un quota, il y a un quota qui est attribué aux personnes, donc à ceux qui ont été élus, qui n'ont pas, en fait, de diplôme, qui ne sont pas, qui sont illettrés. Mm. Oui, oui, il y a un quota. le quota analphabètes. voilà, des analphabètes. Parmi analphabètes, on a pris femmes. Oh oui, je suis sûre que parmi <laughs> ces, femmes qui seront à l'Assemblée nationale, en tout cas, il y aura, il y aura des femmes rurales qui seront analphabètes qui seront qui feront partie. Euh, espérons, comme la, souhaité Garé et, et, que je suis sûr qu'ils aient ce souci Je suis sûr qu'avec les sensibilisations, avec les formations de l'ONG FAD, il y aura beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont se soucier de leurs sœurs femmes euh, de, de, la brousse ou bien euh, rural, du monde rural. Au sein donc de l'Assemblée nationale. Vivement. Elles, Feront, elles feront, la lutte pour ça. et je suis sûr qu'elles feront la lutte pour ça. Bien, vivement. C'est très joli. Mm. nous, nous, on ne souhaite que ça. Mm. Vous comprenez Mais <laughs> le Niger n'a pas commencé comme ça. À chaque fois, c'est la même chose qui se répète vous, dites que ah oui, oui, elles vont, elles vont participer, elles vont participer. Finalement, il n'y a rien. Moi, ce que j'ai dit Cette fois-ci, c'est nous-mêmes, nous-mêmes femmes, cette fois-ci, on, va observer. On va, dénoncer. On va observer, on, va, Mais l'ONG FAD doit continuer le travail parce que j'ai dit, il ne s'agit pas d'amener les femmes à l'Assemblée nationale, il s'agit de faire en sorte que celles qui viennent à l'Assemblée nationale puissent participer. Au être actives. Merci, merci, Gare, merci, merci. Nous allons passer. On sera Voilà, voilà. Nous allons passer au second sujet de, de cette émission. Au niveau du volet politique, euh, le président de la République du Niger, Issoufou Mohamadou, a été primé par la Fondation Mo Ibrahim en ayant été désigné lauréat du prix. Mo Ibrahim pour un leadership d'excellence en Afrique. Ce prix, qui n'avait été décerné depuis 2018, lui a été attribué pour ses efforts d'amélioration dans le développement économique du Niger, également pour toutes ses actions en faveur de la stabilité régionale, précise le journal Le Sahel dans sa parution du 8 mars. Alors, Gary Amadou, qu'en pensez-vous des motifs à avancer pour l'attribution de ce prix au président Issoufou Mahamadou D'abord, j'étais très très content d'apprendre cette. Je n'étais pas surpris parce que en réalité, sur le continent, pratiquement tout le monde à demi-mot se disait que ah non, euh, le candidat pour le primo Ibrahim sera le président Issoufou. Et il y a plusieurs raisons à cela. Bien avant, le président Issoufou il avait dit qu'après ces deux mandats constitutionnels, mm. lui, il n'allait pas chercher à triturer les textes pour se maintenir au pouvoir mieux les chefs d'État qui ont tenté l'expérience en Afrique, parce que notre Afrique, elle est malade, il faut le dire là. Mm. Elle est malade. Les chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir, le président Issoufou a critiqué cette posture-là. Il s'est fait des ennemis à cause de ça, des ennemis qui sont encore justement euh, euh, aujourd'hui dans leur, troisième mandat dans leur pays. Mais il a, il a tenu à donner un exemple aux générations futures. Lui, il a combattu quelqu'un qui avait voulu s'accorder un bonus de trois ans. Alors lui, il ne va pas venir pour essayer de, de, faire la même chose. Il a fait, il a mis un point d'honneur à faire en sorte que il va finir ce deux mandats et il va faire en sorte que le Niger on puisse avoir la première alternance démocratique, un président démocratiquement élu qui cède la place à un autre président. Mais en plus, le président Issouf a été pratiquement devant beaucoup de dossiers continentaux. Ce n'est pas n'importe qui. La zone de libre-échange continentale, c'était sa réflexion. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, où le président Issouf s'est remarqué sur le plan international. Ce prix-là, c'était vraiment le prix quand même, c'est pas un prix qu'on donne comme ça à la volée. Alors, Garé, certains observateurs soulèvent le fait que certains critères d'attribution justement de ce prix euh, n'aient pas été respectés, notamment le lauréat devrait être un ancien président et avoir quitté le pouvoir trois ans au moins. Le mandat du président Issoufou euh, n'étant pas encore terminé, euh, ces, critères, ces critères ne sont pas euh, forcément rempli. Comment expliquer cela Bon, je crois que le comité, le comité a mis, mis peut-être en avant le fait que le président Issoufou, il reste que quelques semaines peut-être à, passer le, témoin. Il ne reste que quelques semaines de pouvoir. Il considère que le président Issoufou a fini son... Peut-être dans leur mentalité, il a fini son mandat. C'est vrai que d'habitude... Mais on parle de trois ans. On parle de partir trois ans après. Trois oui, ans, trois ans après, c'est vrai. Mais, mais vous savez, eh, l'Afrique est malade, comme je le disais. Mm. L'Afrique est très malade. Ça fait trois ans quand même qu'on n'a pas donné ce prix-là. Et il faut donner un espoir aux gens. Hmm. Quatre ans d'avant, Oui, quatre ans hmm. qu'on n'a pas donné ce prix-là. Hmm. Mais il faut donner un espoir. Alors comment faire Soit on attend que Issoufou euh, euh, euh, quitte le pouvoir alors que la période d'attribution de ce prix, si on devait respecter les textes, il n'y aurait personne qui aurait ce prix. Mais il fallait tout simplement, je pense, dans leur entendement, donner un espoir au continent, donner un signal aux chefs d'État qui sont encore au pouvoir, qui sont peut-être dans leur deuxième et dernier mandat et qui ont la tentation de vouloir, pour leur dire que, eh, attention, eh, nous sommes toujours en train de célébrer ceux qui respectent leurs paroles. Mm. Et peut-être ce, ce signal-là que le comité a fait, ce n'est pas un comité eh, qui, qui, juste le matin, il se, réveille à 10h, et puis enfin à 9h, et puis à 10h, on décide que voilà, c'est non. Mm. C'est tout un travail qui est fait, et vraiment par des anciens chefs d'État ils ont certainement passé en revue tous les chefs d'État qui ont quitté le pouvoir, enfin qui ne sont plus euh, au, pouvoir. Ils se sont dit que dans tout ce qu'on a vu là, il n'y a pas quelqu'un vraiment qui le prend. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est en train d'achever son mandat mais qui remplit pratiquement tous les critères. Qu'est-ce qu'on fait Ils se sont dit que non, il faut qu'on donne un espoir au continent. On va donner ce prix-là au président Youssouf pour que les autres chefs d'État qui sont encore au pouvoir, qui sont dans leur. puissent être inspirés. Inspirés, voilà. Arima Abba, comment vous, vous, vous, appréciez cet, état de fait Bon, euh, j'aurais bien voulu qu'on attende euh, <coughs> les trois ans euh, avant de lui attribuer donc certainement peut-être le prochain prix Mo Ibrahim. Et, mais Gareth disait que peut-être qu'il fallait, il fallait prendre les devants, il fallait, il fallait donner de l'espoir et je encourager les chefs de l'État actuels, ceux qui sont en finition de mandat mandat. Notre président est-ce qu'il avait le choix que de partir, sincèrement euh, Est-ce qu'il a le choix que de partir parce que lui-même, il a déjà remplacé euh, quelqu'un qui a essayé de se maintenir, n'est-ce pas, avoir un bonus de trois ans pour achever ce qu'il devait faire. Et on sait ce qui lui est arrivé en plein midi, n'est-ce pas Ça, c'est un. Et lui, c'est celui qui l'a remplacé. de, deux, euh, il y a quand même qu'il l'attendent on voit que la lutte pour euh, occuper cette place-là est très acharnée et nous sommes en plein euh, là-dedans, n'est-ce pas Donc, à mon avis, il n'avait pas le choix que de partir. Aujourd'hui, s'il avait essayé de se maintenir, je crois que la situation, la crise post électoral qu'on est en train de vivre actuellement serait encore beaucoup plus euh, grave, hmm. n'est-ce pas Et il sait à quel peuple il a affaire, il sait à quel acteur il a affaire. Donc pour Alors moi, vous dites que de, cette fondation devait attendre les trois ans. Pourquoi devait attendre, cela Oui, il devait attendre les, trois ans. Et peut-être qu'on aurait... Vous, vous, savez, il faut avoir du recul. Euh, le pour, mieux sauter. pour mieux sauter, bien sûr, mais aussi il faut voir la situation comme pour le président Tanja. N'est-ce pas À la veille de son départ, il avait essayé de se maintenir, n'est-ce pas Il était comme vomi, y compris par euh, une partie du peuple et tout. Aujourd'hui, euh, cette année, il est décédé et on a vu comment il est adulé. C'est pour cela qu'on a besoin de, de recul n'est-ce pas, pour voir celui qui va venir et qu'est-ce qu'il leur a fait avant de célébrer celui qui est déjà passé. Mm. Alors là, on parle par exemple euh, du fait que ces, euh, de ces efforts d'amélioration du développement économique du Niger, également ces actions en faveur de la stabilité régionale. Euh, sur le premier média qui a annoncé, et mettait en avant justement sa décision de, ne pas se, présenter. Mmh. Donc tout le reste, tout le reste, moi, c'est vraiment, euh, ça ne me concerne pas. Mais c'est un prix qui concerne et le, président et ceux qui lui ont donné, mmh. n'est-ce pas Ils vont assumer toute la responsabilité. Ça y va de la crédibilité du, prix, d'ailleurs qui n'a pas été euh, donné depuis combien de temps on espère à, 3 à 4 ans. On espère que ça sera beaucoup plus régulier et que les gens seront unanimes n'est-ce pas, de celui qui sera désormais. Mais pour vous, il ne le mérite pas. Euh, vous pensez qu'il le mérite ou pas Je suis. En fait, ça ne me concerne pas. <laughs> Bien. Ça, ne me concerne pas. Vraiment, euh, c'est entre ceux qui sont choisis et ceux qui donnent. Euh, moi, pour moi, ce n'est pas la reconnaissance la meilleure. Mm. C'est la reconnaissance que pourrait avoir le peuple nigérien vis à -vis de ce qu'il a fait et pas aujourd'hui. Hmm. N'est-ce pas Parce qu'aujourd'hui, euh, tout le mécanisme, tout, le mécanisme est là pour nous faire oublier tout ce qui s'est passé et maintenir ce qu'il y a de bien, parce qu'on ne peut pas régner sans faire quelque chose de bien. Maintenant, avec le recul, avec tout, le recul nécessaire, dans 5 ans, dans 10 ans, si Dieu nous prête longue vie, on dira tout le bien de lui si on aura retenu ces biens-là. vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne donne la parole à ce, ce que je voulais dire. Le prix Ibrahim, là, hmm. pas un prix qu'on décerne pour les Nigériens. Ah non, c'est un prix continental. Et la, ce, ce, qui est le plus important, c'est que sur le plan. Toutes les critiques que vous entendez là, c'est sur le plan national. Hmm. À l'extérieur là, hmm. c'est un président qu'on nous chérit. Mais le prix Mouibram, Ibrahim, c'est un prix continental. C'est comme ça. Mais c'est comme ça, un prix continental. Bien, il ne faut, voilà. faut, pas perdre de vue ce détail Nous allons quand même Nous allons permettre. Vis mais non, moi je suis étonné que. Nous allons permettre. Personne en Afrique, en n'est-ce pas, n'a le droit de nous dire que notre président est le meilleur du monde. C'est à nous, c'est nous qui le vivons. sur, le, plan continental, pouvez bien, dire. bien, nous allons permettre quand même. de ne vivent pas la réalité. Moi, je... on te parle continent. En fait, tu t'enflammes pour rien. Non, je ne J'ai l'impression que Alors, nous allons quand même donner la parole à Maïmouna. Maïmouna, c'est son tour. Garé, Garé. Je dis qu'il s'enflamme pour rien parce que je n'ai pas encore dit que le président Issoufou est mauvais. Non, mais le prix, vraiment, le meilleur prix qu'il puisse avoir c'est la reconnaissance du peuple Alors, on s'est compris non, ce que j'ai dit, c'est que c'est un prix continental avec les critères continentaux. Mais ça, là, est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça sur un plateau D'accord. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Alors, d'accord, nous allons permettre quand même à Memouna, qui depuis longtemps nous attend, pour aussi son temps, son temps de parole. Memouna, allez-y. qu'est-ce que vous, quelle est votre position par rapport à ces débats Moi, je dis d'abord, ça ne sert à rien de polémiquer autour donc euh, de ce, prix, hmm. Mo Ibrahim, qui a été décerné. Oui, je dis ça ne vaut pas la peine de polémiquer, c'est que ceux qui ont déjà attribué ce prix ont choisi les critères pour nominer ou bien euh, pour décerner ça au président de la République. Donc, ça veut dire que d'abord, parce que dans les critères, moi j'ai vu qu'ils ont surtout mis l'accent par rapport au fait que le président de la République ne voudrait pas se maintenir au pouvoir après les deux ans. C'est surtout ça qu'ils ont mis l'accent. Parce que j'ai suivi Mme euh, Madame Ba Diallo sur le RFI qui expliquait parce qu'elle fait partie quand même euh, du comité d'organisation. il expliquait les critères, les différents critères. Mm. Il expliquait que économiquement, le président de la République a donné un sens, un plus à l'économie du Niger et le développement du pays. Mm. souhaitant justement que le prix qui lui a été décerné Aujourd'hui, ça sera peut-être euh, dans le futur, les gens auront à dire beaucoup de choses là-dessus. Peut-être qu'il y aura des exemples aussi que les autres présidents, les autres chefs d'État africains vont s'inspirer peut-être de certains exemples du président de la République, Issouf Mamadou. Voilà donc moi ce que j'ai à dire par rapport à ça. Nous, allons clore, nous nous allons clore ces chapitres. C'est-à-dire, on, on clôt, ces chapitres. Oui, nous, n'avons pas beaucoup de temps. J'aimerais qu'on s'entende sur une chose. On n'a jamais dit que le président Issouf est un président parfait ne l'a jamais dit. Mm. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Euh, euh, par rapport à tout le monde, par rapport à nous tous sur ce plateau, on a des choses à dire sur chacun. Mm. Est-ce que vous comprenez On peut mm. dire du bien comme on peut dire du mal. C'est normal, c'est naturel. Mais il est indéniable qu'en 10 ans, ce qu'elle a fait, ce qu'il est en train de partir faire, c'est la première fois qu'on voit un président démocratiquement élu qui va rendre le pouvoir à un président démocratique. quel que soit celui que ce soit même Ousmane Bazoum, quel que soit celui Pour le cas du Niger. Oui, et donc le, la fondation Mou Ibrahim, là, il faut comprendre d'abord comment, sur la, sur la base de quoi la fondation Mou Ibrahim a été créée. Mais là, on n'a plus le temps pour On n'a plus le temps, mais c'est extrêmement important parce que tant qu'on ne comprend pas mm. le fondement de la fondation Mou Ibrahim, le prix Mou Ibrahim, son fondement là, on ne peut rien comprendre au prix. Bien. Gare, nous passons au dernier sujet de ce forum parce que nous avons pratiquement euh, épuiser notre temps sur ce sujet du primo Ibrahim. Je le disais en titre, euh, une saisie de drogue d'une grande ampleur a été opérée cette semaine à Niamey par l'Office central euh, de répression de trafic illicite des stupéfiants octrices. Il s'agit en tout de 17 tonnes de cannabis. Arimaba, comment expliquer une telle audace, euh, si on peut le, dire ainsi, des trafiquants avec une telle quantité de drogue en pleine je trouve que c'est vraiment extrêmement grave euh, pour notre pays. On se croirait dans certains pays euh, latino-américains, n'est-ce pas, dont le nom est très connu à travers le monde pour vraiment être des, euh, passages ou même des pays de consommation de drogue, c'est extrêmement 17 tonnes, s'il vous plaît, euh, euh milliards de francs CFA. Euh, je crois qu'on doit se réveiller. Oui, notre police fait énormément parce que chaque deux jours, trois jours, n'est-ce pas euh, Il y a des saisies, il y a, des saisies où c'est de l'amphétamine, ou c'est de chambre, tramadol, n'importe quoi. Autrement dit, on a tendance à croire que notre pays est devenu un couloir de passage sûr pour ces trafiquants-là, parce que euh, à côté d'une cargaison saisie, c'est sûr qu'il y a une autre cargaison qui est passée. Et, ça, je trouve que c'est extrêmement grave. On doit se réveiller. Chacun doit s'y mettre pour que on sache que c'est notre jeunesse qui est menacée, c'est notre économie qui est menacée, parce qu'il va y avoir de l'argent sale, il va y avoir vraiment euh, de la violence, parce que la drogue, la drogue va avec la violence, la drogue va avec l'insécurité. Hmm. Et donc l'insécurité... Il y en a qui font le lien même ah, avec le terrorisme, avec euh, la circulation des armes. Bien euh, sûr, bien sûr, la, drogue va avec tout ça. Et c'est en cela que c'est grave pour notre pays si on ne se réveille pas en plus des guerres que nous sommes en train de vivre sur nos trois frontières, n'est-ce pas, nous pouvons vraiment vivre cette guerre-là de façon beaucoup plus réelle à l'interne et dans nos propres familles. Donc vraiment, je trouve que c'est très grave. Gare Amadou, comment analysez-vous cette situation du trafic de drogue qui prend une tournure euh, de plus en plus alarmante Je crois que c'est comme, comme l'a dit Arimi, c'est vraiment une situation assez inquiétante parce qu'il ne se passe pratiquement pas un mois sans qu'on vous parle d'une euh, saisie de drogue ici au Niger. Euh, je rends hommage à l'office de répression de, euh, l'office de contrôle de répression des trafics illicites des stupéfiants, le CERTIS, vraiment qui fait un travail remarquable et qui de jour et de nuit est en train de pratiquement guetter, enquêter, pister jusqu'à découvrir ce, cette gigantesque. Mais là, c'est qui vient d'être prise et c'est énorme. C'est énorme. On parle de 17 tonnes. et, ça a quitté le Liban. C'est pour vous dire que les réseaux de trafiquants, ce sont des réseaux extrêmement bien organisés et qui ont des contacts au niveau des ports. Parce que pour qu'un conteneur comme ça puisse arriver dans un port et puisse passer, bah, il faut avoir des complicités au niveau des ports, les patrons des ports, etc. etc. N'est-ce pas Au niveau des douanes, peut-être, c'est possible. Donc, ouais, il y, a, un travail à faire et surtout, au niveau euh, de, certaines parties du pays qui sont pratiquement connues pour être des passages, oui, et qui sont qui, des passages des, terroristes, des passages des trafiquants, etc., etc il y a une place très célèbre au niveau d'Agadez qu'on appelle la, place de Salvador. C'est-à-dire que c'est une place qui. il, y a, trois routes, je crois, une qui va en Algérie, une qui va en Libye. C'est connu pour être une un, passage des, narcotrafiquants. Hmm. Le Sahel, pratiquement, est devenu aujourd'hui un passage obligé de la drogue avant qu'elle ne soit acheminée en Europe. Hmm. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen même si c'est à travers. Moi, je vois le G5 Sahel qui lutte contre le terrorisme. C'est vrai que dans l'insécurité en général, il faudrait qu'on mette l'accent sur le trafic de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, les trafiquants de l'Europe sont beaucoup plus intelligents. Ils s'adaptent chaque fois à la situation. Est-ce que vous comprenez mm. Chaque fois, ils essaient de s'adapter, de faire en sorte que le produit ne puisse pas être détecté. Vous avez vu, par exemple, avant-hier, mm. au niveau de la saisie qui a été faite, les 17 tonnes-là, mm. vous avez vu les emballages qu'ils ont fait. Ils ont fait plusieurs emballages de telle sorte que quand ça passe même au niveau du rayon X, ça peut pas être détecté. Mm. Et en plus, c'est dans des cartons de jus de fruits. jus de fruits et voilà, et on mm. m'a dit que ce magasin-là, à, un certain moment, c'est des motos qu'on amenait. menées. Des motos, oui, oui. Mm. Donc, vous voyez, c'est des gens qui s'adaptent. Toutes les manœuvres sont, sont, bonnes. pour, pour, pour, échapper à la euh, vigilance. Oui. qu'en pensez-vous Comment est-ce qu'on peut mettre fin, ou en tout cas euh, amondrir ce, ce, ce, trafic Mettre fin, ça sera difficile. Mais amoindrir euh, cette situation, c'est peut-être raisonnable. Et bravo donc à Octis d'abord parce que vu sa vigilance, ses contrôles, et ils ont pu cette police, la police a pu donc démanteler ce réseau. Mais ce qu'a dit Garé et mon confrère euh, Arimi, je pense que en fait, si une cargaison, on arrive à avoir une cargaison, ça veut dire que déjà l'autre cargaison a pu franchir. Et déjà hein. dans la ville, au même moment, de dans la ville. Parce que les 17 tonnes là, aujourd'hui, qui sait combien de personnes ont pu consommer dans ces 17 cargaisons Qu'est-ce qui a été déjà écoulé Et aujourd'hui, j'ai peur pour la jeunesse nigérienne. Parce qu'il faut avoir peur de la jeunesse nigérienne. Quand on regarde, que la jeunesse nigérienne, quand même, a une place très importante dans ce pays. Et en euh, mettant de la drogue, c'est comme si c'est. On Sur donne l'occasion. On donne l'occasion maintenant à, cette jeunesse euh, de, consommer ça. Mm. Mettre l'accent, c'est de veiller. Veiller, comme l'a dit Garé, sur certaines frontières les frontières là qui, qui n'ont pas euh, euh, dans la vigilance parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent passer sans être contrôlées. Alors rapidement, il faut également les contrôler. Donc, et ce que nous nous voulons, parce que on a l'habitude de nous dire que euh, il y aura un dossier qui sera ouvert par rapport justement à ces cas de, de drogue, mais d'où justement on n'entend plus parler. Il y a eu des, je me rappelle une saisie de drogue où on avait mm. euh, le procureur avait saisi s'est saisi de, euh, cette situation. Bien, moi, je voudrais, le jusqu'à présent, oui, le dossier jusqu'à présent, on ne sait pas. nous Mais nous, nous voudrons que cette fois-ci, que on cherche véritablement les coupables. Mm. et que les coupables soient châtiés. Mm. Alors, Maimouna, je voudrais quand même qu'on aborde, même si c'est à 30 secondes chacun, cette euh, question du, du contingent tchadien qui est là à Niamey depuis quelques jours. Euh, quelques 1200 hommes qui sont censés, euh, en tout cas, continuer sur la zone des trois frontières pour aider à la lutte, à la lutte contre le terrorisme. Le président Idriss Déby était là au mercredi à Niamey. Arimi Abba, quelle appréciation faites-vous de l'implication du président tchadien dans la lutte contre le terrorisme au niveau donc euh, justement de cette zone des trois frontières et des, des éventuels résultats que cette implication on a pourrait déjà apporter. Beaucoup d'armées euh, étrangères sur notre territoire. Donc c'est une autre armée encore en plus qui vient de s'ajouter à notre euh, euh, aux contingents qui sont sur notre territoire. Or, sincèrement, cela peut accroître, l'efficacité, non Non, moi sincèrement, je pense que dans les mêmes conditions de travail, notre armée peut faire correctement n'importe quel travail que n'importe quelle autre armée peut faire cherchons les moyens pour notre armée, mettons les moyens à la disposition de notre armée et on n'aura pas besoin sur notre territoire d'armées étrangères. Parce que, à tort ou à raison, on est euh, vraiment, euh, on, doit pouvoir considérer que c'est encore une armée d'occupation. Mais là, on parle de la zone des trois frontières. Normalement, c'est euh, situé à cheval. ça veut dire qu'ils peuvent être au moins à cheval sur. Mali, Burkina, Niger. Oui, mais mm. pourquoi le, Mali a une armée ils sont, selon ce qu'on nous dit tous les jours, euh, l'armée malienne, les FAMA, sont en train d'être formés vraiment de façon intensive par euh, l'armée française, américaine et autres. C'est la même chose pour le Burkina, c'est la même chose pour nous. N'est-ce pas Notre armée, on nous a classés parmi les premières armées en Afrique. N'est-ce pas Mais écoute, on a assez de jeunes gens, assez de personnes pour pouvoir combattre et chacun peut rester sur son territoire et défendre correctement son territoire. Garé Amadou, quelle, quelle appréciation de, de cette... Euh, de cet appui du, président Idriss Déby, qui est d'ailleurs le président en exercice du G5 Sahel Oui, moi je pense que euh, ce tapis est extrêmement, important mm. parce que la lutte contre le terrorisme, on ne la gagnera pas seul. Et je me rappelle de ce que le ministre de la Défense avait dit devant l'Assemblée nationale quand il avait été entendu par les députés. L'un des principaux problèmes de notre armée aujourd'hui, qui est efficace, mais qui a un problème d'effectif pour pouvoir être pratiquement... Euh, Surtout les Français. Voilà. Et donc la partie de la politique nationale de défense qui vise à pratiquement quadrupler le nombre de, de, militaires nigériens pour permettre à la d'être vraiment dans une capacité opérationnelle optimum qui peut permettre de gérer des situations d'être la frontière par exemple le Niger Mali c'est 800 km mais c'est compliqué à contrôler 800 km vous vous rendez compte ça fait d'ici Niamey jusqu'à je sais pas où euh, 800 km ça dépasse jusqu'à ça dépasse Tawa 800 km de frontière. Vous Donc, euh, il y a un sous-effectif. Est-ce qu'on a des informations sur les objectifs à euh, de, renforcement de ces, effectifs Oui, les objectifs, parce qu'on a beau dire, hein, les armées ne sont pas les mêmes. Notre armée est redoutable, elle est parmi les, mieux classées euh, de, de la sous-région. Mais en matière, par exemple, rien qu'en matière de chars, l'armée tchadienne est, plus, est, la mieux équipée en matière de chars de la sous-région. Mm. En matière d'hélicoptères, elle est la mieux équipée en matière d'hélicoptères. Ça, c'est clair et net. Mm. Donc, et en plus, l'armée tchadienne est une armée de guerre. Le Tchad, depuis pratiquement l'indépendance, est un pays qui se construit, qui se construit à travers des guerres entre. Les, Donc pour vous, leur expérience et leur. Elle, est, extrêmement, est extrêmement importante. il ne faut, il faut pas qu'on perde de vue que on ne peut pas gagner cette guerre-là seule. C'est main dans la main qu'on peut la gagner. Maimouna, est-ce votre point de vue On ne peut pas gagner euh, la guerre, en tout cas surtout celle que nous vivons euh, actuellement, seule Ou bien on peut mieux faire euh, avec. on ne peut pas gagner cette guerre seule, hmm. mais on pourra également faire la différence en équipant nos forces de défense et de sécurité. En équipement valable. Mais il ne faut pas également oublier qu'aujourd'hui, l'armée tchadienne, elle est là, le président en exercice du G5 Sahel, c'est Idriss Déby. Mm. Donc là, en positionnant peut-être ces, ces hommes sur les trois frontières, c'est justement pour avoir un résultat. Parce que c'est pour faire la différence, avoir un résultat, pour qu'à la fin, de ces un an à la tête du G5 Sahel qu'on ne dise pas qu'il n'a pas fait quelque chose, qu'il n'a pas fait grand-chose. Merci à tous et c'est ici que prend fin le forum de la presse de ce jour 12 euh, mars 2021. Nous étions en compagnie de nos confrères Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, Memouna Diado, journaliste indépendante, et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Je suis à Alassane Kouzim Amadou pour la présentation de ce forum. La régie technique a été assurée par Aminata. Réalisation Mustafa Yuva. Bonsoir.